Ivoirien, Nigérien. D'aussi loin que je me souvienne, nos deux pays entretiennent une relation faite de tolérance. Ici ou là-bas, c'était une évidence. Car nos peuples, au fil de l'histoire, des échanges et des flux migratoires, ont toujours cultivé paix et fraternité, une intégration dans la solidarité. Préservons ce que nous avons construit. ayant une certaine hauteur d'esprit pour ne pas sombrer dans une haine inutile et les dérives qu'elle entraîne. Ivoiriens, Nigériens, pas de ça entre nous. Nous sommes tous sœurs et frères. machines, Tolkits. Hein, Bonsoir et bienvenue sur votre émission jeune. tous à la Fada, une émission portée vers la jeunesse nigérienne et son quotidien. Tous à la Fada, une production du studio Kalangu, relayée au Niger grâce au travail de nos différents partenaires médias. Notre émission de cette semaine porte sur les médias. Pour ceux qui ont suivi la première partie de l'émission, Rabbi Mabinom de toujours a parlé des canaux et les voies par lesquelles les jeunes s'informent. Télé, radio, réseaux sociaux. J'espère que vous avez beaucoup retenu de ces échanges, chers amis. Selon l'année du Conseil supérieur de la communication du Niger de 2019-2020, au total, 42 titres presse écrites ont été reportés. Ces chaînes de télévision et une centaine de radios, dont 30 à Pour cette seconde partie de l'émission, nous allons voir comment les jeunes arrivent à s'informer à travers, à quelle fin et comment ils appréhendent les programmes qui leur sont destinés. Pour répondre à ces questions, nous sommes à la place en Outap avec nos invités. Chers amis auditeurs, vous pouvez participer sur cette émission en nous contactant au 80 06 88 54 sur le thème Impact des programmes des médias nigérien sur la jeunesse. 35 minutes de discussion, d'échange de musique et de chronique. C'est ça l'émission. Tout ça la fada. Hey. Impact des programmes des médias nigériens sur la jeunesse. C'est le thème qui nous réunit actuellement sur l'émission Tous à la Fada. Nous nous trouvons en ce moment à la place Anoutab. Les invités que nous recevons aujourd'hui pour débattre de notre thème du jour sont Monsieur Garba Moussa Mokhtar. Garba Moussa Mokhtar, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes aussi avec monsieur Adamou Fessal. Boubacar Adamou Fessal, c'est un jeune, on lui souhaite aussi la bienvenue. Nous sommes avec euh, Voilà, Papus Tchomogo, Ti, voilà. Tout simplement. Tout simplement. <laughs> est avec nous. Un jeune aussi qui certainement écoute la radio, regarde la télé ou sur les réseaux sociaux ou présent sur les réseaux sociaux. Si vous êtes prêts et eh bien installés, chers invités, nous allons comme ça démarrer l'émission. Les programmes information, sensibilisation, distraction viennent de plusieurs sources télé, radio, internet. Quels sont les programmes que vous estimez utiles pour vous et pourquoi C'est la première question que pas euh, voilà. Nous, en tant que jeunes, nous avons fait de Gabi, télé, radio, réseaux sociaux, Voilà. Euh, en tant que jeunes, nous avons réseaux sociaux sociaux... sociaux, a gogayi faga bisa télé radio a bon gono rezo sociaux bo Réseaux sociaux rezo radio yan ga sociaux wa des réseaux kuna information kul gi ba gaba labo ci na gote da sociaux, fond kul kan ma bon sociaux, voilà facebook twitter whatsapp instagram ngede no ay kulu réseaux ko ga information ai ci kul irmanona bubakar matkina no aga himanda tele radio rezo soso ne mada matkani kera papuski ni kida hmm, to wallahi ai ma asanno ai ma hay kulkin aji hmm. ai oke ai gingine kan ai ga hangan tele da radio zama tele da radio labarin ni gno burse kan yan labarin no kan tarsira hmm. o oh, zama rezo din gangani hangani wannan jare sai sanen no kan yan bari no koi goringe wannan huera walenge wannan fadera im hantuman kiba imi chatu zo sosai bon donc ba kan su fahamu da ni cewa kin komi kan labarin no kan cime wannan wiza mata ba cime wannan ba kan da nodin mu eh moyen de communication no kango très efficace mais avec nous on dit kan réseaux sociaux bon kan bora tun kulunga na ga tan o de bayan donc asinda hanse yan radio télé mo na gunis ni gangan parce que nodin ni misali kai ga information o traité e ga traité no parce que non information e gouvernement fiable il manona ay chora moktar matano go tew irim tondo nuwo matano ndiyonga nima de ni chal hin ka fane réseaux sociaux parce que no nonga ga hagu gite an kanga ga ba gudu information mo kam bursumare radio telera afa mo ka ner sengo tele de radio no ifono nganga if donc kay wo kay ga hangana wo kay utiliser gumo wo kan utiliser gumo ah. réseaux sociaux non réseaux sociaux non mo n'empêche ay ga hatta ga zon comme tela do no réseaux sociaux gonda c'est utilité fona no réseaux sociaux din ay ga utiliser parce que no din ay gudu information nafantayan bafunantayan ba kan sai matkan faisal kira bon kula information kan samu hmm. o oh, donc uh, réseaux sociaux ayo ayse danga inga no hangan bisa radio kwa hmm. parce que hun kuna da bor sambu misali kaina mhm. gonda kango hal america haradin mhm. information asino asino gonde gabi gonde gabi kalara man tum cherche lettre kuko nidi mm. walmo kan telefoni zai fatta dindan ba zambar fo credino alo mataran go bani samai aban aban dai amma oh. ndi son réseaux sociaux agon do ganai gumo ah donc no misali ga réseaux sociaux di no go ganin na fuguma oh. ne gidu labari yan voilà. ni gi ganan de fonde mo kan ganan ma manu ni nyezi jere voilà. dai fodu ni nyezi fomo nongo fo par réseaux sociaux di no ngudu L'artiste s'exprime, c'est une rubrique de l'émission Tous à la falaise. Cette émission est consacrée à la jeunesse nigérienne. Cette semaine, nous recevons un artiste, un artiste de taille. On le suit et tout de suite, la suite. Pour la prospérité de la culture, le studio Kalambu présente l'artiste s'exprime. Didier ce taf donc du coup la Miss Rim et donc, dit la machine te souhaite une fois de plus la bienvenue sur l'artiste s'exprime. Réponds à sa question avant qu'on rentre dans le vif du chichi. Comment tu lui as Comment tu les pensées des gens Comment est-ce que tu arrives à, euh, n'est-ce pas, à cerner, à comprendre que ce sont doit faire plaisir à Rabi, à, aussi à tout le monde, à, tout le monde Comment tu fais En fait, comme je le dis, la définition de DJ même, ça veut dire disc joker. Joker, ça veut dire ce que les gens attendent, tu vois. Mhm. C'est les jokers, comme un joker qui, fait les courses. Donc, tu connais les sons au top. Bon, c'est pas que tu connais, tu dois savoir. Hmm. Tu comprends Il faut savoir quoi mettre selon les rythmes, que ce soit du dancehall, de la musique traditionnelle, du rap, du coupé décalé. Tu essaies de savoir ce que les gens aiment et tu essayes, tu essayes, tu essayes jusqu'à trouver les pistes ça ne prend pas, tu essaies de rentrer ici. Si ça prend, tu décolles avec. Et... C'est plus un travail quand même. Ah, mais quand même, ça va. Et aujourd'hui, c'est de ce travail qu'on va parler. C'est du travail de Mr. Taf qu'on va parler. De ces sons qui sont disponibles. De comment est-ce qu'il fait ses mix. Des, sons, des featuring qu'il a. Parce qu'en dehors aussi de mixer, il fait des sons avec des artistes On doit comprendre tout ça et avoir ces sons sur cette émission. Ah, franchement, tu as l'air sur tous les plans là. Tu, voilà. tu tapes partout là. C'est une suite logique en fait. Quand, tu, animes, il faut que tu aies des productions. Pour déjà, pour ta renommée <clears throat> et pour aussi te faire connaître. Super. On va commencer par le commencement. Mhm. On sait déjà que tu es DJ en boîte de nuit et tu animes les coins les plus chauds de la capitale. Alors parlons un peu des sons euh, qui sont disponibles de Mr. Taf. Tu as commencé par quoi Il faut qu'il nous dise. Il doit nous dire euh, hmm. par quoi il a commencé. Et nous jouer un tout petit peu le truc et puis on veut de l'ambiance. Et c'est de cette façon qu'on doit quand même euh, présenter euh, la deuxième franchement, partie de Franchement, t'es là il faut. Euh, nos, nos, auditeurs qui nous écoutent de partout doivent profiter. Vraiment, <laughs> profiter de toi maximum. Et les gens qui aiment la musique, quoi. Ah, parce que c'est ça aussi, on change de On a des éléments partout dans le pays. Voilà, donc tu as commencé avec quoi euh, J'ai commencé avec ma moitié. Ta moitié Oui. Et ta moitié, c'est avec qui C'était avec Hamdi Malam. Hamdi Malam Oui. C'était ta moitié Oui. Tu as commencé, tu as chanté pour ta moitié. On peut avoir le son Moi, j'ai fait l'instrumental et Hamdi s'est inspiré. C'est ça. Donc, du coup, vous avez fait plaisir à vos moitiés. Donc, du coup, tu vois, c'est quoi Toi, tu as C'est compliqué. C'est compliqué. <laughs> Balance-moi le truc, s'il te plaît, sur cette émission. Yeah, bien. Voilà, ça arrive. Je te petite. Ma moitié. Eh, moi, franchement, tu. Alors, en dehors de la moitié, qu'est-ce que tu as encore chanté Il y a ce son-là qu'on appelle Qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qui ne va pas Dans le pays non, non, non, non, non, c'est toujours dans l'histoire du cœur. C'est <laughs> toujours l'histoire du cœur. Ah, eh, eh, apparemment, il ne chante que pour le cœur, lui. Le bah, pas bah, du tout, hein. Ah, bah, explique-moi un ah peu. ouais. Oh, c'est quoi le truc Le truc, c'est qu'on chante ce qui peut manger. c'est tout. Et là, qu'est-ce qui va passer avec aussi Hamdi Malam C'est avec aussi Hamdi Ok, J'avais prévu. Euh, ok. Mhm. Là, c'est deux avec Hamdi hein. Voilà. Ok, d'accord. Alors, euh, comment vous avez concocté le son Comment est-ce que vous avez, euh, je ne sais pas, si un peu. Tu fais le beat, il, le pose dessus ou qu'est-ce qui se passe En fait, je lui, je lui propose un thème mhm. sur lequel il doit chanter. Mhm. Si possible, je peux même lui donner quelques lignes de, du refrain. Ok. mais après, moi, ça s'arrête là. Je ne sais pas chanter. Ok. C'est carrément pas chanter, mais je sais faire le beat parce que j'ai un peu le rythme dans le sang. Ok. Et du coup, c'est ça. Ok, super. En dehors de ça, et tu as fait encore quoi euh, Ma toute dernière sortie est sortie alors il y a du cela. Ah, dis quoi Ouais. Donc, du coup, deux jours, 10 000 vues. Alors, c'est de ça qu'on va parler. ok, d'accord, pour qu'on puisse encore lui donner la visibilité sur cette émission. Parce que DJ Taf, quand même, c'est un DJ euh, qui fait notre fierté. Ok, d'accord, et là, le featuring, c'est avec. Euh, avec qui Ouais, bien sûr. Barakina. Allah. Donc, le featuring avec Barakina, Allah, ça donne quoi Haka. Zalika. C'est quoi Qu'est-ce que vous allez lui par à Kazalika À Kazalika, bon, tu sais, dans la vie courante, il y a des gens qui te souhaitent malheur, il y a ceux qui te souhaitent malheur. Oh, tout ce que tu me souhaites, je te souhaite la même chose. Bah, si tu m'aimes, bon, c'est bon, on a Si tu m'aimes pas, on fait Si, tu m'insultes, si tu m'insultes, si tu m'insultes, je t'insulte. Ça a toujours été comme ça. Et c'est avec ça que nous allons finir cette émission. Ok, d'accord, mais avant cela, sur ce but, tu vas lancer un message un message à l'endroit, bien évidemment, de tous qui suivent cette émission, puisque c'est le deuxième angle, ok, d'accord oh, oh, oh, un message à l'endroit de tes fans. Pour qu'ils aillent sur ta page Facebook et, ton Instagram, il nous faut donc avoir tout ça dans ce message. L'instant est lèvre. donc tu as une minute de temps d'antenne, juste après, à Kazan. Bah, franchement, euh, les gars, les go ou bien disons nigériens et nigériens comme le dit, on dit souvent, ou le président de la République, mhm comprenez qu'on a besoin de votre soutien. <clears throat> Donc tout ce qu'on fait n'a aucun sens si vous ne nous soutenez pas. Nous, on fait parce qu'on aime et on aimerait bien que, de par notre travail, qu'il y ait de l'engouement, de la progression surtout. Et donc, on vous invite quand même à nous soutenir en cliquant juste des likes, en suivant nos pages, en allant regarder les vidéos, en partageant et en assistant aussi aux événements qu'on produit. C'est comme ça que tous les artistes du monde font pour prospérer. Nous sommes à la fin de la revue, mesdames et messieurs. Finish, À l'instant, c'est donc que l'artiste s'exprime sur l'émission Tous à la Fada. Cette émission consacrée à la jeunesse nigérienne. Nous parlons des impacts des programmes des médias nigériens sur la jeunesse. Les thèmes à discuter aujourd'hui sur Tous à la Fada. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours. Nous sommes avec Papusti. Nous sommes aussi avec Monsieur Boubacar. Mokhtar est aussi de la place. Moxie. Restez donc à notre compagnie, c'est que du bonheur. Papusti. Oui, euh, de nos jours, les médias relaient aussi quelquefois des rumeurs infondées, des fake news. Comment vous vous en sortez Parce que vous, tout à l'heure, vous nous avez dit que vous utilisez au max les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, oui. Comment donc faire la part des choses Voilà. Euh, maintenant, je, voilà, je suis en ligne, mhm. voilà, je tombe sur une information sur les réseaux sociaux. Mhm. Voilà. D'abord, j'essaie d'analyser moi-même savoir est-ce que la source, d'où est-ce que provient cette information mhm. Si c'est une page, c'est un profil d'une personne, j'essaie de voir est-ce que cette personne peut avoir cette information ou encore si c'est une page, est-ce qu'elle est fiable Est-ce que c'est une source fiable Je sais à ma manière de voir d'abord, est-ce que l'information est fiable Maintenant, j'ai une information, je l'ai vérifiée à ma manière, la source, oui, la source peut être fiable. Maintenant, je me dis, bon, voilà. Maintenant, quand je vais regarder la télé, je peux trouver la vraie réponse. Est-ce que cette euh, information, oui, elle est fiable parce qu'elle vient d'être diffusée à la télé C'est-à-dire je ne crois pas sur le champ et je ne partage pas, je ne balance pas. Je hmm. garde ça pour moi le temps d'avoir euh, la certitude c'est vraiment, ce n'est pas un fake news et que c'est une très bonne information. Donc du coup, tu fais le lien. Donc je regarde aussi la télé, et la radio. Quand tu vois euh, peut-être euh, voilà une information, une information. ça dépend de la valeur de l'information. Les informations tu, que tu attends d'abord la confirmation de la radio ou de la télé pour diffuser. Merci, tout dépendra de, la valeur. D'accord. Mokhtar, nous maintenant nous nous aux réseaux sociaux, papy si on a demandé pour faire la part des choses sanga fek nuize sanga sandikangi mchimi do kansi mchimi wal matki nanonde parce que déjà bubu koror ma nengo réseaux sociaux harakan bonon ngi siba yadin kul parce que télé de radio de nongo milki ha hagay no ninkan go réseaux sociaux mato ngote ga o oh, donc euh, matkan papus ni dano quoi mm. information o oh, ayo daidwa mm. donc euh, matkti matka mo aymo ayga say boray c'est quoi mm. non non non la première des choses daidwa ay gay lakkalo kanan dino ai mula sabu gudi hal hayawa kan i hantum din mhm. est ce que ya din no mm. oh, donc euh, après ai ga batu kayno fo di hal borakul ga sai sai oh. oh. donc euh, donc bakara ngo réseau sociaux bonde mo radio de télé mo de arla kale goyga o oh, mais radio de télé o ngono gin confirmar an se misal gar sanno kan arndi réseaux sociaux bon chimino wal tarno voilà dirn liengo te hayo cherban nigo me cherban ta nous allons souffler en musique sur l'émission Tous à la Fada, la musique aussi à sa place. Yakbi, ça vous dit certainement beaucoup de choses. À l'instant, c'était Yakbi. C'était Talouale Wale sur l'émission Doussalafara. la Cette émission consacrée à la jeunesse du Niger. Vous êtes sur donc, euh, le studio Kalangu et eh, vous nous suivez à travers nos médias partenaires. Pour participer à ces échanges, vous qui nous écoutez, Envoyez vos questions et vos commentaires au 80 06 54. Vous pouvez également recevoir tout le contenu en vous abonnant à notre ville WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 88 54. Papusti. Oui, Aujourd'hui, la majorité des jeunes s'intéressent plus au programme de distraction. Quel changement cela apporte-t-il dans votre quotidien euh... Musique, Bon, euh, moi je suis beaucoup plus concentré sur la musique parce que j'aime la culture en fait. J'ai une très bonne vision de la culture. Alors, qui parle de culture aussi parle de musique, parle de sport et tout ce qui va avec. Alors, moi je pense que euh, la distraction, oui, parce que euh, la musique elle est importante. Alors voilà, ça apporte un changement parce que la musique aussi n'est pas seulement synonyme de, je sais pas, de délinquance ou de distraction. La musique peut être un canal porteur de messages. La musique peut éduquer, la musique peut apporter beaucoup de changements. Alors je pense que si côté distraction, la musique apporte beaucoup de choses. En tout cas, pour moi, je pense qu'elle est importante et je la suis. Voilà. Ok. La musique est d'une autre source de vie. Mokhtar, le distraction et la musique. Nous, il faut nous, nous, réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, on musique. ba youtube ba ngudo fon to no misali ga radio tele wa réseaux sociaux distraction fondo fondo fono no ngi gana pour que ne ma évader matki ci da oh donc ayo ne di za réseaux sociaux ba koy tele kala radio hmm. ayo fonda kay gana kanga nan ay ma ne la kalem kan ay la kalem total power total power rek ti balo dai no dai go information palbo ah. no balde distraction no balo de mantin ga ma kigine en charne du football to ayno a charne de football oh ba hun kunun boy go stade municipal ko ga match fogo ko championnat eh donc radio di télé de réseaux sociaux mo go kanin se na fodi do hara igo kata yi hanna duma oh parce que rien que championnat national din sambu mbo niger wana ah, réseaux sociaux dai furo ay kar bi soccer bon ay gidi classement aiki di mayar bitoro aiki di mayar pasayro wato ne bido ne kusino wato da wadin kusino me mm. wato wadin kusino wa ma son wa kai vraiment dieu merci ato jene a de bi kange mo kango hanga nerse aiki bil kange mbo sport musico ka ka de boro jeno sport musico ka ay man nay fo bo de bor sangan music no guni sport to wo kan cindino iro erse bay papusti oui Comment arrivez-vous à gérer au quotidien des tas d'informations qui vous viennent souvent sans même que vous n'ayez demandé Cela vous déborde-t-il ou au contraire vous facilite la vie Si débordement, comment Si vie facile, pourquoi Bon, c'est vrai, avec les réseaux sociaux... Et Information, les... faut vous... voilà. Vip. Ah, radio a vip niger ta ele to ngai bor vip en tout cas les eh, message no kan ni sibatu ta igi kan Mm. amma son ni no su ba ni bonse wo fo gane le kalo yeti ay gun message kul kan kayse information kul kan kan am ci réseaux sociaux na kul kan no wo fo no gi man na fante ay me kalo yeti no di hare gi ci gudu bon fere kan go ara parce que kan di message mot kul ka da bon fere gara de no to mu ci ci wodi mu ci ci mo wo fo no gi him mo parce que no gi hingin no labari hanno kan gi hingin bumbo ba funa boriendi wala mana nim kan de gaksine kan ni labo mu na wonim kan ni bon bere fo kan na labo mu ko jine yanga no message dira mat kuki kada bobu wo fono ginga te si hanno nge ne guna kan e, e, ti ayo se man ti hannano yanga ig mora gice ci wo fono gai nafa e, ayu kan goida mu ce ca an nafa gibisa ai ukan diara musambu ko bubakar eno kando oh. fada sandi no se ranse fada beri nir go en faman bore mo se ker go place anu tab jone no ay nir koli koli gi dam bindi nongo kulu ta bubakar son senir go hangana nu labare o kayan o parce que barkan ne nugo jeune na ku kanu nugo no portable nugo réseaux sociaux ba mhm. ne ni ci irse niga hangar radio ni guntele no matino asini butugu to wallahi message na sai butugu sai bongo daga sai cha razama hanen gon kan yan borga farga gumo mm. ba da nin portable san muni ni feri message ka ga doru wararar ni singru da mun gi me guna zama hanen gon kan a gingite labar kono buradu ni sai labar hannuno wala labar no kan kan binse donc euh, numa na mais avec tout ça des messages da bar mu hogede haren gon kan dindiyai surtout wani wani réseaux sociaux bon il faut que nous la sab de lakalo est ce que la no kan yan chimsan yan wal chimsan num si sam zan diyai ne su ba ke la sab mi samun chale se bom so wadin te bari mu kai bon nufin sokon gina mu di eske labar no kan agon da da sim cimi nim sa san ba da har mono ma samba donc don kai wanda ne gine ha ba bisti

Le 25 mai 2021, c'était la journée de l'Afrique. C'est l'occasion pour moi de vous parler de Yasuke, le premier samouraï noir du Japon. Amis auditeurs et auditrices, bonsoir. L'histoire de Yasuke est l'objet de notre chronique de ce soir. Selon l'illustrateur et écrivain français Frédéric Marais, Yasuke était un esclave africain arrivé au Japon en 1579. C'était un personnage important de la mythologie grecque né sur l'île de Mozambique. Il serait originaire de l'ethnie Makua. Il aurait été enlevé par des trafiquants d'esclaves à la fin du XVIe siècle, puis vendu à des négriers portugais qui vont l'emmener jusqu'en Inde à Goa, alors colonie portugaise. Eh bien, c'est à Goa qu'il entrera au service d'Alessandro Valignano, un jésuite italien avec qui il se rendra au Japon en 1579. Intelligent et doué pour les langues, il apprend rapidement le japonais, ce qui facilitera son intégration. La légende rapporte que sa force dépasse celle de dix hommes, et sa grande taille et sa couleur de peau le distinguent de la population locale. Sa présence au Japon arrivera ainsi aux oreilles d'Oda Nobunaga, l'un des premiers seigneurs de guerre japonais. Selon un article paru sur le site Africa Vivre, nommé Samouraï, Yasuke aurait obtenu le privilège exceptionnel de porter les deux sabres propres à ce rang. Il est devenu le premier samouraï étranger de l'histoire du Japon. S'il est difficile de savoir si Yasuke a réellement existé, c'est une figure légendaire de la mythologie nippone. L'histoire de Yasuke, c'est l'histoire d'un homme qui fut englouti par le temps, au point que même son nom de naissance a été perdu. De lui, on ne connaît que le surnom japonais qui lui a été attribué, Kurusan Yasuke. Il aura fallu attendre plus de cinq siècles pour que son histoire hors du commun refasse surface. Pourquoi maintenant eh bien, personne ne peut le dire. Sur le continent africain, Yasuke attire également la curiosité des uns et des autres. Par exemple, l'écrivain franco-ivoirien Serge Bill était si intrigué par l'extraordinaire ascension de Yasuke qu'il a écrit un livre sur le guerrier. Cela fait partie du mystère qui entoure ce personnage. C'est pourquoi il me fascine a-t-il déclaré à la BBC. Hier comme aujourd'hui, l'Afrique avait et a des incroyables hommes et femmes qui écrivent et écrivent une belle histoire de l'humanité. D'ici là, portez-vous bien. C'est la fin de cette chronique. Bye bye. À l'instant T, c'était Olivier Assogbavi. C'était la chronique de l'émission Tous à la Fada. Cette émission consacrée à la jeunesse nigérienne. Nous sommes toujours à la place en mesdames et messieurs. Nous parlons des impacts des programmes des médias nigériens sur la jeunesse. Le thème du jour a forcément nécessité la présence de M. Mokhtar, M. Boubacar et Papus Tchemogo, alias Papusti. Nous sommes pratiquement donc à la fin de l'émission. Papusti, je commencerai par toi. Papus Tchemogo. oui. misaliga zasintanay kalson irfahamga baykan radiyay datelay direze sosedin igoga aran nafa guma piske igoga aran nafa son irgo cecino bor kuluma kandirse inga kambe sannu kanganan imradiyay hanse imtele hanse connexion mu bori jeunesse pour que na fengo kan media go tiaran se am ko digine no dirna ha ifono ngi nersi to eh, sintina dai eh, oh. media imange woni programme mm. imi hanse mi kando sokone ngi dangara samo ko no bogo niger media re ikulu hay fallan kan ikulu gida o kan ay gar tele woni bon ngi gar woni bon yan ga dai na fora talka so har fallan ka dai no har yan yammo gon kan irim gbai wo kan sai wai lakalo kan gi ko da zo su su ga bun bono zama har no gon kahim gbai ai an tanke labiz an tanke furtaji kan ai sidu gbai lokaci ra kai gba wal mo isa kai sai tare kware mat kan himam guduwa da audin sunai gore zo su su boy guduwa mat kai gba yan ga tele di minge program ai sokon information mat ka himatan da ima no bore si im gunmo ifo no din dan program ora aga bore nafa ai kan sin naf kulim bore wada ya dimo no furtaji imino sanni o ime emission yan dankan dangde fada o kirgo hon kone mine emission no gon kan la bise masalan inge la bo chidra o bon im la bise jeune mo imino fondo im guninge la bo siyasa matana go gite da zaman kun hay kul kan borgo te ay mil kan siyasa din kare dilan baga halga ka son mo emission kan gnan jeune im wani inge bon checiyan kan man zaman kuna lokolo bra kul go koy chaw yon odeno yan ga im kete emission kan gnan an sayaro ni entrepreneuria kan gnan jeune mo bay zaygo go lokolo mboy ngi fonde gorandi nang ay gudu gay bonci ci halba ci ko miliam du diplom gu goy wal ka so mo de matuno way bore ba funa go gete da o bore kango saji ra kanga muru yim gina hay kanganan bore mi di ibafuna funa wodi ngano ga ki sine gingi kai woni e ba funa rawal barma yan gingi ka kanga himatan da kanga ner labum ko jine a to pabu sene ngwa ngwa na ci moktar ir mamo bokul no imam kanin kam ga sine parce que bokul gonda il faut dengi bonora ka gingi kande kangenan ir réseau social din ir mi hanse amir nafa radio din in programme hanse an bori am yegir na fug tonton tele din in programme hanse mi yegir na fug tonton ton mat kan cina de pa plus kinti irga ba irim dunu won wona proposition oh. do fo do fo mano ni gin kandirsi oh, donc uh, papiso sannai kan akiyo kuran dai na feri to oh, parce que sannai karin kiyaki inga dai na yo ga complete quoi mm -hmm. ayo tontono kai gidi da hansen kan ihimgate Premièrement, télé inganda radio. Mhm. Oh, parce que hunkuna, vous n'êtes pas sans le savoir que ir Niger labora information yangon kan matki kada matiya nigi samu da télé ranganda radio mhm. oh, Donc euh, ima sokon mhm. matka kada ima kida de kimono im kai maki de taro no ma kai maki. Im sai kutugu Voilà, donc euh, réseaux sociaux mo vraiment da igihinga du matkan boregi hinga information ngai filtre da nim du gabai wane wo information fiable no wane wo information no kan hambara bubakar no sambuga da ke ga sai sai am dugudu nga jami'an ga dai no akwa hmm. o donc uh, din o a chora bubakar matshinanu boregi ngite ima hanse réseaux sociaux bon télé ra radio ra matkan den chelen chida irin morgu bawdi parce que yaran avenir go chechi

nimin burkin taraga yin nog bori ta mu koy kan mu goite ba ni cece non gu tonon koy gin kallen tan wal ni koy fayra no gin tayin dan dan walai fo mm. abisi se tan fonde wo asbori ha mai ha mai ha mai ngon asbori wani mata har hanno wadin banni mu ayin la te aidi kan nyamai so barkar yango dina gugu ba gumo mm. wakan godo riga mata ba barkar yango no zan kai kan yi gogi ini zan kai ki gogi Eh, kan yi siginan yi gogi dan barkar yan wura mm. usain di surtout eh, zanku wanda ya zai ni ni gidi wanda suke ni kana gogi barkar hay kunni swani ba kunara zai di ni almajira almajira kam gari asubori paran e vraiment i gonda alhaku donc mi sensibiliser raderi telem wala bon feri fisi bilai mi lakale chani mi bon feri hun mhm. kunni so han kan dan dunya ag wajibin gano ma tarbiyandi ag wajibin gano ma dan fonda hanira purke am suko ga Eh, deirute danga am skwe gasar wote radio di tele di radio so mo ginga kan do din kakaro ime mission te zama ya ga radio de no bor mara bor mara gun zan kedin isi dan lokol yan mono isi dan kamugoi sanno ban ay cho lay ir ko demal mal barka dan daga papis tirim bandinin impacto irdia ceyen fono no gonda niger talato me ame misali ga jeune kayen gogir hangan pour que irma fonde hanne gana réseaux sociaux radio radiera de telera ceewo euh, keke tonandi niger tala to am ciya dottijo no zankano way borno bor kul kende en kon gingi télé radio wala téléphone samugo fur facebook twitter les réseaux sociaux no ya boram bay kan hein, man ci hay dino gi te cimi yani ga il kono borno la kadi ndi hari mala sabu bonse sa no ne que la conscience et le juge infaillible timo aga bay ag tari bay wala kan gi man diadi yani ga donc kun dai sabanda information réseaux sociaux idea o idea ngene bor fono no da to mo la sabai bon si hayo eske chimi na gite chimi wol mo dai sibai ai sa sam bor fo kul si gina e ma ga e bon si gidi motono labaro parce que ina ai hukka zama ina hukka fum kuno gudo labaro lokaci chodi to kan bora kuno go bayaga zimedi nin kuna nim to gidi information ma sam dan tari woni hasaro ka ga kande karro kan yin ta hasaro beri wala yani ga wodin si gidi information zo sosio nim bay motono ni ga hauzunda idea e bon si ni gune la sabu to ai ma ga e bon si hadde man te bai kan chimino wol mo dey ga sam me musam barkan ginga haus haus yan hannasi man tay ke di kunne sam goida wala sam tan bor fosi agin ka ta hasaro yan ga borem ceci fonda hanna albarka kirgi nguru information e dar ma sambu irin moro ku kan singa kan dirse gomni kan ga manti gun yango hinno a igun réseaux sociaux de information to en information man nafu ifu ne him gite da timino manti tarno mai sine him ga samba wal mo him ma ga e bonse hale mi di lokacira matara ga himanda zamma ta kan borino bordino borgitan borese harno kan yin kan da hasara gumo o bore kan goga page house mo réseaux sociaux bon Eh, abone ceciyan sadir jama ceciyan ga marguno na pajo jimbo am sinan nima boz ki ki tari har kusa mugudan har no kan ngi hasaro beri chibno san oh. o ne meno mashino ngan de bore iga me aranse irto irin nimero wane wume irko mirgarau fundi kan gana duga kande sanni da foyan ga tono darando yino sato hey